le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangu, le forum de la presse. L'émission qui se consacre au décryptage des sujets ayant dominé l'actualité de la semaine. Ce soir, nous parlerons d'abord sur le plan éducatif de la grève des enseignants contractuels du secondaire et de la formation professionnelle et technique qui entame depuis lundi 11 janvier 2021 une grève de six jours sur l'ensemble du territoire national pour exiger du gouvernement la satisfaction de leur plateforme revendicative restée en souffrance depuis quelque temps. Sur le plan sanitaire, l'épidémie de la méningite qui sévit à Myria de la région de Zender et où 350 cas ont été détectés. Et sur le plan politique, nous aborderons aussi dans ce forum la déclaration rendue publique par la coalition CAP 2021 relativement aux élections locales, législatives et présidentielles premier tour. Pour donc échanger autour de ces questions, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Maimouna Gado, journaliste freelance. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir Gare. Bonsoir. Et Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Merci de participer à ce forum de la presse. Je suis Fatih Zakari à la présentation. Avec euh, la reprise euh, des cours après les congés de Noël, euh, les enseignants contractuels du secondaire et de la formation professionnelle renouent avec les mouvements de grève. Ces derniers ont entamé lundi dernier une grève de six jours sur l'ensemble du territoire national. Les revendiquent le recrutement sans concours des contractuels au-delà de 15 ans d'exercice ou encore la mise en solde de plusieurs d'entre eux. Des précisions avec Amadou Issa Suleiman, le coordinateur de la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique. Il est joint au téléphone par Asman China. Le premier point, c'est par rapport à l'ouverture du recrutement sans concours des enseignants contractuels à la fonction publique. Cela fait pratiquement six ans qu'il n'y avait pas eu de recrutement sans concours des enseignants contractuels au donc le contrat, sont en train de prendre de l'âge. Le deuxième point, ça concerne euh, la question des avancements jusqu'à la, promotion au grade de 2007, 2018, 2019 et 2020 reste bloquée. Il y a aussi la question de la finalisation des mises en solde de nos camarades de la 6e et de la 7e promotion. Jusqu'à preuve de contraire, on attend encore donc la finalisation de leur mise en solde. Il y a aussi la question des rappels salaires des enseignants contractuels a donc de suivre les précisions de Amadou euh, Issa Suleiman est le, coordonnateur coordinateur de la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique relativement donc à leur euh, mouvement de grève entamé ce lundi 11 janvier 2021. Quelles euh, sont donc vos réactions par rapport à ce que vient de dire M. Amadou Issa Suleiman Je commence par Gary Amadou. Oui, il faut dire que le syndicat des enseignants du secondaire a parfaitement raison sur toute la ligne concernant ces revendications-là. Je ne sais pas euh, pourquoi ils, sont, ils en sont arrivés à la grève de six jours. Euh, certainement, d'habitude, euh, ce que je connais en matière syndicale, vous essayez d'abord d'entrer en contact avec le ministère des tutelle, vous, vous, entrevoyez des démarches, et puis après, quand ça n'aboutit pas, vous entrez en grève. Je pense que peut-être que c'est comme ça que ça s'est passé, mais tous ceux qu'ils ont cités, et juste après 15 ans de contrat au secondaire, je pense que même au niveau de tous les secteurs, on devait trouver un système, un mécanisme pour permettre le recrutement direct. parce qu'il y a des gens qui, dépassent même 15 ans, mhm. mais qui sont toujours en train de perdre. Je, trouve que c'est inhumain. après 15 ans d'enseignement, il faut laisser les gens les faire avancer directement. Mhm. Ensuite, la question de la mise en solde. C'est un problème récurrent au niveau de l'enseignement secondaire et même au niveau de l'enseignement primaire. Parce que moi, je connais des enseignants qui ont, été, qui ont eu le matricule depuis 2015, mais qui n'ont pas été mis en solde. J'en connais beaucoup. Vous savez, au niveau de l'éducation, il y a tellement de problèmes. Je pense que les prochains locataires du ministère de l'Éducation mhm. et les ministères des enseignements secondaires devront savoir qu'ils ont du pain sur la planche. Il y a beaucoup de boulot. Regardez, par exemple, je vais prendre un exemple uniquement au niveau de l'éducation nationale. Il y a des écoles à Niamey où il y a plus de 150 élèves dans une classe. Mhm. Mais comment une enseignante peut enseigner comme ça vous trouvez que c'est. Et puis les gens n'en parlent pas. et puis non. Mais, mais comment, comment pouvez, comment est-ce que vous pouvez admettre qu'une situation comme ça en pleine ville de Niamey Voilà les problèmes auxquels l'éducation nationale est confrontée. À cela, il faut s'ajouter au niveau de l'éducation nationale des programmes inadaptés. Parfois qui ne sont même pas maîtrisés par les inspecteurs, à plus forte raison les enseignants. Des programmes inadaptés qu'on demande en pleine année. Et puis qu'on change à tout bout des champ. Il y a tellement de problèmes au niveau de l'éducation. Moi, je pense que le syndicat des enseignants de secondaire, ils ont raison de défendre les intérêts. Et puis, moi, je ne trouve pas leurs revendications comme exagérées. Je trouve que c'est des revendications tout à fait normales. Mais ils disent que ça fait quand même, la question de l'avancement, ça fait deux ans. Qu'ils sont au niveau, niveau. Pourquoi Mais pourquoi Mais bon sang. C'est-à-dire, n'essayez pas, en pleine année scolaire, créer les conditions pour qu'il y ait moins de perturbations. Comment est-ce qu'il faut créer moins de perturbations Essayer autant que faire se peut de satisfaire les revendications des enseignants, qui soient au primaire ou au niveau du secondaire. On ne demande pas de tout satisfaire, mais faites des bons gestes avant la rentrée. Mettez-les dans des conditions où ils vont se dire Ah, vraiment, l'État a fait un pas. Voilà, nos amis qui n'étaient pas en solde sont maintenant mis en solde. Voilà, l'avancement, ça commence. Des petits signaux. Mais vous ne pouvez pas laisser que la situation pourrisse en ce moment que le ministre apparaisse au niveau de la télé. Il fait un point de presse pour dire que non, non, tout va bien, tout va bien. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas au niveau de l'enseignement secondaire et il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'enseignement primaire. Et là, j'interpelle le nouveau ministre euh, qui vient de prendre le, relais pour lui dire qu'il ne faut pas qu'on lui raconte au niveau du ministère qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'éducation. Il y a des problèmes. Ces problèmes sont visibles. Il ne faut pas partir loin, rien que de la ville de Niamey. Donc, rien que de la ville de Niamey, faites un tour au niveau des écoles. Vous allez voir ce que vous allez, ce que vous allez voir. Vous allez voir des choses, des situations inimaginables. Vraiment, mhm. Mhm. j'interpelle le gouvernement à appeler le syndicat des enseignants de secondaire mhm. à venir s'asseoir et à faire des propositions qui peuvent être rapidement mises en œuvre. Même quelle réaction euh, par rapport à la grève euh, des enseignants contractuels euh, de la formation professionnelle Je rejoins ce que mon prédécesseur a dit, Garé, finalement, c'est une réalité. L'éducation au Niger est paralysée parce que tout simplement, il y a des choses qu'on ne prenne pas en compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas employer, ou pas faire travailler un père de famille ou une mère de famille durant 15 ans et qui n'a pas de matricule et vous voulez que cette bonne personne continue, mhm. après avoir espéré durant des années, mhm. euh, continuer à travailler dans ces conditions, ça ne peut pas se faire. Mais mhm. quel sera le rendement est-ce qu'il y aura un rendement efficace Il n'y aura pas de rendement positif efficace. Donc, vraiment, ce que euh, Garé a dit, c'est l'essentiel. Appeler ses enseignants, le syndicat, sur la table de négociation. Je crois que ce qu'ils ont demandé, c'est raisonnable et ça peut être arrangé pour, que, pour la bonne marche de l'école. Et ensuite, on ne peut pas aujourd'hui donner des matricules aussi combien d'années et que ces enseignants se retrouvent sans solde. C'est impensable, en fait. On se demande comment est-ce que ceux-là qui doivent réfléchir, qui doivent amener euh, un plus au niveau du secteur de l'éducation, se permettent d'ignorer certaines choses. C'est pas ignorer, peut-être qu'ils font ça même exprès, je me dis. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas donner un matricule à quelqu'un et le laisser sans solde durant combien d'années Ça ne peut pas se faire. Et aujourd'hui, nous, nous craignons pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir des enfants du Niger, parce qu'il faut une bonne éducation pour ces enfants. Et comment est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une bonne éducation C'est vraiment de créer les conditions pour que ces enseignants soient mis dans leurs droits et dans de bonnes conditions de travail et d'études. Et de, travail autant pour moi, et de vie. Parce que sans vie, sans que les conditions ne sont pas améliorées au niveau donc euh, de leur situation sociale, je ne pense pas que l'éducation à leur niveau aussi sera arrangée. Il faut arranger d'abord le petit pain, le petit truc. Mm. Oui, oui, il faut les mettre dans leurs droits pour que demain, ces enseignants aussi puissent prendre conscience que nous sommes dans notre droit. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est vraiment de faire en sorte que l'éducation marche. C'est vraiment que le ministère fasse tout en tout cas pour les appeler sur la table de négociation. Ça ne sert à rien aujourd'hui de perdre du temps en mhm. faisant la grève, en ne répondant pas, euh, même si euh, vous ne pouvez pas tout arranger à la fois. Je pense qu'il faut voir ce qui est très urgent pour pouvoir au moins sauver ce qui doit être sauvé. Nous allons à présent écouter Hassan Boukar. Merci beaucoup. Je pense que la première chose qui j'interroge, moi, c'est déjà le choix du, contrat. Au début des années 90, mhm. certaines institutions comme le FMI euh, avaient dit à l'époque, à travers les programmes d'investissement structurel, qu'un enseignant coûte cher et qu'il fallait avoir d'autres catégories d'enseignants. Mhm. Petit à petit, on est arrivé au contrat. Ça fait aujourd'hui une trentaine d'années. En 30 ans, l'école a eu le temps de s'essouffler. Mhm. Elle est aujourd'hui presque à terre tous les citoyens de ce pays observent. On a presque laissé les syndicats se battre seuls. Parce que cette question, ce n'est pas simplement une question corporatiste, c'est aussi de l'avenir de l'école qu'il s'agit. Aujourd'hui, je crois qu'on a eu suffisamment de temps pour nous rendre compte qu'avec le contrat, ça ne peut pas marcher. Vous avez une catégorie d'enseignants qui font le même travail que les autres mais ne sont pas payés au même niveau. Ça pose une question de droit. C'est une rupture, euh, je crois, par rapport aux autres. Ce n'est pas normal. Deuxième chose, socialement, ils sont dévalorisés. Parce que même lorsque les salaires sont payés, même ces pécules à minima ne sont pas payés au moment où on paye les salaires. Donc, ceux qui ont les salaires, ils sont régulièrement payés. Les autres, ils ont des arriérés. Il faut attendre deux, trois mois pour avoir les pécules en un mois. Je pense qu'aujourd'hui, socialement aussi, ça monte ses limites. Et donc, moi, j'interpelle non pas les pouvoirs publics, mais d'abord l'opinion. Ceux qui envoient leurs enfants à l'école, ceux qui se soucient de ce pays-là. Il faut qu'ils se rendent compte que même si nous devons payer le tiers des ressources publiques de ce pays-là à travers les budgets pour que l'école puisse aller, parce qu'en condamnant l'école, on condamne tout ce qui va grâce à l'école. À mon avis, c'est vraiment le débat qu'il faut poser. Et on a raté une occasion avec les élections. On vient de faire une période pendant laquelle, avec une trentaine de candidats, où tout le monde dit je vais arranger les choses à l'école, je vais réparer. Mais dans le réparer, on ne sait pas qu'est-ce que les gens proposent. Je pense qu'on a raté une bonne occasion de poser un vrai débat sur l'école. Et ce que les contracteurs vivent aujourd'hui, ce sont les conséquences justement de cet abandon collectif mhm pas seulement de l'État. Mhm, mhm. C'est un abandon collectif de toute la communauté sur la question. On a considéré que s'il y a des problèmes à l'école, ça concerne les enseignants et les ministres. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, euh, le problème qu'il ne faut pas accepter. L'autre chose sur la question des, sommes. J'écoutais les médecins qui ont été recrutés dans le cadre de la COVID. Alors eux aussi, ils disent, depuis sept mois, <laughs> certains travaillaient, le gouvernement leur a dit, non, non, laissez, je vous propose mieux, il arrive. Ils sont recrutés officiellement. Pendant sept mois, tu n'as pas de salaire. Et aussi, je crois, ils vont en grève. Oui, ils ont commencé. Alors, alors finalement, ce gouvernement, je pense que c'est une preuve d'irresponsabilité. Mais une des choses qui me choque, c'est l'absence de l'opinion, en fait. Mm. des Les citoyens de ces pays. La santé, l'éducation, il faut qu'on se rende compte que c'est vraiment des secteurs sensibles mm-hmm. pour lesquels nous devons tous nous mobiliser. Mais cela, on ne le fait pas. Et donc, sur l'école, franchement, mm-hmm. moi, je suis fatigué d'interpeller un ministre <laughs> ou le. Je pense que c'est vraiment l'opinion qu'il faut interpeller. Il faut que ceux qui pensent que leurs enfants vont aller à l'école pour apprendre et un jour être ceux qui vont servir ce pays, il faut que se soucient de l'école. Peut-être que les choses changeraient de ce côté-là. Oui, Hassan Boukar, euh, ces mouvements de grève euh, qui ne sont pas euh, les premiers depuis la rentrée scolaire peuvent-ils avoir un impact sur le bon déroulement de l'année académique et surtout quand on sait que l'année a débuté avec un retard lié aux inondations Oui, une des conséquences que moi je vois, c'est que au stade actuel, il risque de ne pas avoir d'interlocuteur. J'écoutais Garé quand il dit, bon, normalement, il y a une démarche. Alors, je me demande si aujourd'hui, <laughs> il y a vraiment quelqu'un qui est prêt à écouter les gens qui parlent de l'école. Tout le monde a l'esprit à, février sur les élections. <laughs> Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, ils vont trouver... D'abord, ce qu'ils demandent a sans doute des implications financières. Or, au stade actuel, on dit les finances, c'est d'abord la sécurité, mm. avec ce qu'on vit aujourd'hui les ressources et les élections, etc. etc. Est-ce que réellement aujourd'hui leur situation peut être une priorité pour euh, les gens qui sont là en attendant, de façon provisoire, hein, en attendant la fin des élections, etc. Donc je me pose beaucoup de questions. Est-ce que réellement ils trouveront une oreille attentive Maintenant sur l'école, c'est évident parce que six jours déjà, je pense que six jours de grève, c'est beaucoup. S'ils ne trouvent même pas d'interlocuteur, ça risque de continuer. et ça continue, euh, et donc, voilà. Et donc, malheureusement, ça va se faire au détriment de l'école. Et encore une fois, euh, je n'ai pas encore entendu les gens réagir. Pour l'instant, il n'y a que qui se battent, peut-être qu'ils vont se fatiguer. Mm-hmm. Mais en tout cas, pour moi, il faut vraiment que les gens prennent au sérieux l'école. Euh, normalement, on n'a pas besoin d'expliquer les choses. Tout le monde a vu les conséquences aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un est vraiment satisfait de ce qui se passe aujourd'hui à l'école. Et alors, on ne peut pas croiser les bras. Euh, euh, les syndicats, ils se battent, c'est leur vie, ils ont choisi ce métier. C'est bien dommage. Ils sont censés éduquer le pays, ils sont censés éduquer la nation et tout le monde. Malheureusement, ils sont devenus très fragiles. Et socialement, franchement, mhm je ne sais pas si les gens le mesurent mhm. aujourd'hui. L'enseignant, c'était vraiment au village, euh, c'était l'exemple. Il avait son salaire, il vit bien socialement. Mais aujourd'hui, tu vis de crédit. Et ça ruine ton image, etc., etc. Bon, tout cela, à mon avis, normalement, on devait avoir une bonne réflexion. Tout le monde connaît la solution. Hein. Il faut faire À mon avis, il faut arrêter le contrat. Il faut vraiment arrêter le contrat. Déjà aujourd'hui, en termes de dépenses de personnel, mhm. on met beaucoup de ressources mais on les met à rien parce que personne n'est satisfait du résultat. Autant mettre davantage de ressources, maintenant en jouant sur une politique claire qui consiste à dire, OK, euh, on vous recrute la fonction publique, faire un recrutement régulier comme elle le faisait départ le passé, et avec des exigences de résultats à mon avis, si on veut sauver l'école, et là, il faut, on ne peut pas le faire pour la durée d'un mandat. Malheureusement, les responsables chez nous, quand tu lis, tu, ne réfléchis pas au-delà d'un mmh. mandat. Mmh. Il faut réfléchir à moyen et à long terme. Mmh. Parce que le gouffre dans l'école se trouve l'école aujourd'hui, il faut 10-15 ans peut-être pour arriver à sauver l'école. Et là, ça suppose qu'il y ait un vrai consensus là-dessus. S'il y a un consensus, pas seulement d'un gouvernement, mais de la plupart des acteurs de l'école, de la classe politique, on peut trouver des solutions qu'on peut appliquer pendant 10-15 ans. Peut-être que la solution viendrait de ce côté-là. je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que euh, Bassan disait. Mhm. Vous savez, tout à l'heure, avant de venir, j'ai eu l'information sur laquelle mhm. un enseignant au niveau de la région du Tel a été enlevé. Bon, c'est pour vous dire les conditions dans lesquelles ces gens-là sont en train de travailler. Et là, je parle de l'enseignant en général. Mhm. Je suis d'accord avec Hassan quand il dit qu'il ne doit pas avoir de contrat. Non, Surtout, il ne doit pas avoir de contrat du tout, du tout. Parce qu'à partir du moment où, au niveau, par exemple, du point de l'enseignement primaire, on a fait une évaluation, on a enlevé ce qu'on appelle la mauvaise graine, mhm. on a gardé là. Eh bien, cette graine-là qu'on a gardée, eh bien, il faut leur donner une matricule. Tous les enseignants contractuels actuellement là, mhm. qui sont de le qui doivent avoir le numéro de matricule. Trouver un moyen, même si c'est par un quota de, je ne sais pas, 1000 par an, mhm. il faut les recruter. Ça suffit comme ça. Deuxième chose, les parents d'élèves. Mais chaque élève à un parent qui l'amène à l'école. Est-ce que vous comprenez Aussi bien au niveau de l'école primaire qu'au niveau du secondaire, chaque élève a un parent. Et c'est pourquoi je rejoins ce que Hassan Boukara a dit. Mhm. La démission des parents d'élèves. Parce que quand même, les parents d'élèves sont organisés en association. Donc, ces parents d'élèves-là, vous pouvez aider les syndicats à améliorer le système éducatif. Organisez-vous, appuyez-les faites des déclarations pour dire que oui, vos enfants souffrent. Vous voyez que dans une classe, une maîtresse, elle a 150 élèves. Mais écoutez, dites que non, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas donner un enseignement de qualité. Qu'est-ce que qu'elle va faire 150 élèves dans une classe. Parfois, qui sont quatre sur une table ou certains sont à, par terre, rien qu'à Niamey. Donc, voilà des situations pour, lesquelles les parents d'élèves c'est vrai, on ne raison. On doit les interpeller, on ne doit pas laisser les syndicats sur le chemin de la lutte pour l'amélioration du système éducatif. Et donne-les, tous parent d'élèves concertez-vous, organisez-vous comme les syndicats et faites entendre votre voix. Parce que quand même, comme l'a dit Asambokar, l'éducation, là où c'est important, ce que ce sont les cadres de demain qu'on est en train de former. Mhm. Et donc, c'est dès maintenant qu'il faut préparer pour que l'avenir soit meilleur. Merci. Il faut revenir sur l'ancien système. L'ancien système, c'est quoi C'est les élèves qui, et, les, enseignants qui sont formés au niveau de l'école normale et qui sortent après deux ans avec leur matricule. Moi, je pense que c'est quand ça se passait, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est mettre fin à la contractualisation. ceux, qui sont, déjà dedans, donnez-leur les matricules. C'est tout. Et, et, qu'on en finisse. Et qu'on avance. Et qu'on avance. oui, et ensuite, le bureau, l'association des parents d'élèves, ça fait longtemps que l'association des parents d'élèves ne réagit plus. Mais c'est pas possible. réagit plus. Il y a une association qui est là, qui doit défendre les causes de ces enfants. Mais aujourd'hui, moi, je vois à la fois il n'y a pas, il n'y a pas, mais aussi le reste de l'opinion. Bien sûr, oui, Il, y a l'association des parents, mais, tout le monde, presque chacun envoie son enfant. Nous entendons donc euh, la deuxième partie euh, du forum de la presse. Euh, les parents d'élèves. De la région de une épidémie de méningite s'est déclarée à myriade les villages de Diné et Geza, selon la direction régionale de la santé de Zender. Il ressort que plus de 300 sem cantar donc, ont été confirmés, dont 12 décès entre le 9 décembre 2020 et le 5 janvier 2021. Comment donc expliquer cette épidémie de méningite en cette période au Niger, alors qu'en général, c'est une maladie qui survient durant les mois de mars à avril, la période de forte chaleur. Monsieur Gary Oui, euh, peut-être que c'est lié au changement climatique, mais il ne faut pas oublier le fait que le Niger est quand même considéré comme étant un pays qui se trouve dans la ceinture de la la qui va jusqu'à l'Éthiopie. C'est-à-dire c'est toute une bande de pays qui sont régulièrement touchés par la méningite. Maintenant, la seule explication peut-être le fait que c'est le changement climatique. Vous savez, même la saison de pluie, au moment où on l'attend, c'est pas à moment qu'elle mm. commence. Vraiment, tout est complètement perturbé. Mais cette situation-là nous interpelle parce que déjà, nous sommes en train de lutter contre la, Covid. Oui, et, là encore, euh, comme on dit, un, malheur n'arrive jamais seul. Encore un, autre malheur qui nous tombe sur la tête. La méningite, c'est encore plus, plus, en tout cas plus terrible, parce qu'elle, c'est voilà. Et surtout les enfants qui sont vulnérables. Je pense que euh, le ministère de elle doit prendre des mesures pour essayer déjà de commencer une campagne de vaccination parce que c'est pas quand les cas vont commencer à s'accumuler qu'on va commencer. Parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'on observe, on observe, on observe. Oui, oui. Maintenant, quand on va arriver à peut-être 100 morts, on va dire, ah oui, oui, ça là, on va appeler l'OMS à nous envoyer des vaccins pour commencer à. Non, non, non. C'est dès maintenant que vous considérez. Et puis d'ailleurs, euh, euh, euh, Fatih, ah, avant même, on connaît les périodes régulières auxquelles la méningite apparaît. Donc, quelques mois avant cette période-là, déjà le ministère de la Santé doit pouvoir mettre en place oui, une prévision. Oui, un mécanisme, en tout cas, de vaccination avant que la maladie n'apparaisse. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la vaccination après l'apparition de la maladie. Non, mhm. c'est avant qu'elle n'apparaisse pour permettre d'éviter les dégâts qu'on constate aujourd'hui. Même Diado le Niger a fait face, à l'instar des autres euh, pays euh, du monde, à la pandémie de la COVID-19 euh, pour laquelle beaucoup de fonds sont injectés dans la lutte et la prévention. Qu'est-ce que le gouvernement donc doit faire pour le cas de la méningite, afin de contrecarrer cette euh, épidémie qui a déjà commencé dans le département de Myria. Maintenant, à ce stade, le gouvernement est l'esprit divisé. Parce qu'il faut faire la riposte contre la COVID-19. Il faut également penser à faire une riposte pour euh, la méningite. Et de tout le temps, nous connaissons comment la méningite fait des ravages ici, au Niger. Donc moi, si je me mets à la place du gouvernement, je ferai plus attention à la méningite. Parce que c'est le début qu'on connaît, mais on ne sait pas quel est le nombre de dégâts que ça peut avoir. Surtout que c'est les enfants. Ça, ça, ça tue rapidement les, groupes vulnérables oui rapidement les enfants donc je me dis que avant que on atteigne à un stade où on ne peut plus maîtriser la situation il faut d'ores et déjà prendre les, précautions mhm. ça veut dire que essayer d'abord déjà on sait que c'est la région de Zender qui est touchée mhm. essayer de maximiser de faire en sorte que le vaccin arrive mhm. dans cette région, dans ces zones-là, pour pouvoir prévenir les autres régions. Parce que euh, euh, quand on regarde c'est une épidémie et ça va d'une région à une région. Donc, tout est possible. Peut-être que euh, les prochains jours, on aura une sortie du ministre de la Santé, on le souhaite quand même, pour qu'il puisse vraiment nous expliquer cette situation et ce qu'il compte faire, en tout cas pour venir en aide à, aux populations, à ces populations. Parce que là, eh, on est, déjà, on est déjà pris dans le piège, comme on le dit. On a l'insécurité qui est là, nous avons la COVID-19, Maintenant, c'est la méningite. Et on n'attendait pas la méningite à cette époque de froid. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, tout est possible parce que quand vous constatez, la journée, il fait tellement chaud mm-hmm. et c'est la nuit qu'il fait, il fait froid. Donc, tout, tout est possible, tout est possible. Et il ne faut pas oublier aussi que, comme l'a dit Garé, c'est vraiment une courbe qui est là, mhm. qui passe donc le Niger, on le connaît déjà mhm. au niveau donc de l'Est, que vraiment c'est des régions qui peuvent être atteintes donc euh, euh, de la méningite parce que c'est la ceinture. Mhm. Et surtout que c'est une zone également frontalière du Nigeria. Et donc, c'est vraiment de prendre des prévisions. par Quelles actions les autorités en charge de la santé peuvent-elles mener afin donc d'éviter le scénario de 2015 Bon, je pense que maintenant que la maladie s'est déjà déclarée, vous n'avez pas beaucoup de choix. Hein. Il faut prendre en charge les cas déjà qui, sont, uh-huh. qui ont contracté la maladie. Uh-huh. C'est vrai que pour moi, ça a été aussi une surprise. Euh, fin décembre, début janvier, euh, on l'attend en mars, en, avril, d'habitude, mais pas, pas à cette période. Donc maintenant là, euh, il faut simplement prendre en charge. C'est vrai que tout le monde est préoccupé par la Covid, mhm. mais la méningite, il faut se rendre compte que c'est beaucoup plus dangereux ici. Ça fait en tout cas beaucoup plus de victimes, euh, donc euh, ça a un taux de mortalité assez fort, en tout cas comparé à, ces ce qu'on vit. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose de difficile. Pour moi, lorsque la maladie est déjà déclarée, on n'a pas beaucoup de choix en fait. Mhm. Mais par contre, avant que ça n'arrive, vous avez la possibilité. Une des choses, il faut éduquer les gens. Mhm. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui arrive presque chaque année. Comme le paludisme, hein. je pense qu'il y a une possibilité de faire une éducation à la santé mhm. sur les maladies les plus courantes dans le pays. Mhm. Et cette éducation-là, c'est par exemple, lorsqu'il y a des signes qui arrivent, comment les gens doivent réagir. Mhm. S'il y a des cas dans une famille, comment faut-il réagir Regardez les pays qu'on connaît Ebola. Il y a eu énormément n'est-ce pas, des victimes, mhm. peut-être parce que c'est un peu nouveau, mais aussi parce que le type de réponse de la communauté a été une réponse des personnes qui ne sont pas bien informées de la maladie, de ce mode de transmission, etc. La méningite, le pas c'est quand même des choses que nous connaissons. Mhm. Il faut vraiment faire une éducation des citoyens. Parce que tout le monde dit, bon, il faut attendre les services de santé. Mais avant que les services n'arrivent, comment la communauté doit réagir Quelque chose d'extrêmement contagieux, comme la ménagiste, quand ça arrive. Et je pense que ce travail doit être un travail qui est fait de façon continue dans le pays. Ça évite l'aggravation de la maladie. Pour moi, lorsque les gens sont bien éduqués, s'il y a des cas, la communauté peut toujours avoir les premières réactions qui permettent facilement d'isoler les gens, éviter les contaminations à etc. Et là, c'est un travail. Maintenant, je suis convaincu, je ferai le pari dans ce studio, que Dieu nous donne les moyens de mettre fin à, cette euh, méningite à Myria, dès que ça passe, on aura tout oublié. <laughs> on ne doit pas oublier, on sait que ça peut revenir dans <laughs> les années. Et donc, il y a un travail à faire de façon permanente pour éduquer les gens, mhm si les gens sont bien éduqués sur le mode de transmission, sur les premières réactions à faire, je suis convaincu que la tâche serait facilitée pour Et là, les médias doivent jouer un rôle important dans ce sens. La communication, la sensibilisation, les médias peuvent jouer, euh, en particulier la radio, mm-hmm. parce que la radio, elle est un peu partout, mm-hmm. et c'est l'un des médias les plus accessibles. Et donc, à mon avis, il y a vraiment un travail d'éducation à la santé qu'il faut faire. Et maintenant, on a la COVID, on ne sait plus qu'est-ce qui va arriver à l'avenir. Il faut vraiment faire l'éducation à la santé. Parce que ça devient comme une sorte de prévention, ça permet d'avoir les capacités à mieux réagir. Encore une fois, les pays qui ont connu Ebola, apparemment les gens étaient euh, beaucoup plus faciles à mobiliser contre la COVID. Parce qu'ils savent euh, lorsqu'une pandémie se déclare, que ça peut avoir des graves conséquences. Et donc les gens sont préparés. Alors, à mon avis, il y a vraiment ce travail à faire c'est un travail de prévention. Merci Hassan Boukar. La coalition pour l'alternance politique CAP 2021 a rendu public euh, le lundi dernier une déclaration de presse à Niamey sur le déroulement des élections du 13 et 27 décembre 2020. L'opposition politique euh, réunie au sein de la coalition pour l'alternance politique CAP 2021 et ses alliés sollicitent cite, l'annulation des résultats issus donc de certaines zones et la supervision des scrutins par l'armée, notamment dans les dites zones. Qu'est-ce qui retient votre attention dans cette déclaration de l'opposition politique, Mme Ce que je peux retenir euh, de cette déclaration de l'opposition CAP 21, c'est que c'est les élections. Aujourd'hui, l'opposition demande l'annulation des résultats, de certains, issus de certaines zones. Mhm. Bon, je me dis que déjà, ça se trouve au niveau de la Cour constitutionnelle. Mhm. Et je pense que, sauf si je ne sais pas, mhm. c'est la Cour constitutionnelle qui a le dernier mot. Parce qu'ils ont fait des recours de toutes les manières. Ils doivent attendre d'abord ces recours. Ils doivent attendre d'abord que la Cour constitutionnelle se prononce par rapport à ça. Et peut-être voir que selon les recours, parce que je sais que les recours qu'ils ont, que l'opposition a, déposé déposés, se trouve cette situation de ces zones. donc, moi, je me dis que Vraiment, l'opposition, je ne peux pas dire que l'opposition a tort aussi, mais c'est ce que l'opposition avance. Nous attendons de voir donc la Cour constitutionnelle aussi, ce que ça va donner. Et en deuxième point également, c'est au niveau de, pas les élections, la supervision La supervision. Aujourd'hui, par l'armée. Je me dis qu'il y a certaines choses que quand vous détenez des, preuves, mhm. il faut brandir ces preuves-là. Il faut que l'opinion qui vous écoutent sache que vous disiez que vraiment c'est une vérité que vous êtes en train de dire. Parce qu'on dit toute preuve que vous donnez euh, peut être également euh, interprétée d'une autre manière. Mais je me dis ça aussi, peut-être que l'opposition a ses preuves et qu'en temps voulu, l'opposition va faire sortir ses preuves c'est également une manège de, politique aussi, parce que l'opposition s'apprête à aller au deuxième tour. Donc il faut dès maintenant aiguiser les armes pour ne pas aller se retrouver euh, dans, une, euh, dans un second tour face à un adversaire où peut-être on ne sait pas qui et qui feront le poids. Ça aussi, bon, je me dis que c'est l'opposition. Personne ne peut interpréter en fait aujourd'hui ce que l'opposition politique a avancé, parce que c'est quand moi tu avances quelque mhm. chose, et je ne peux dire que peut-être que tu as raison ou pas, mais moi, je ne suis pas vraiment habilité à dire que l'opposition a tort dans ou, raison. Mais ce que je demande, c'est tout simplement s'il y a des preuves, il faut brandir les preuves et attendre que la Cour constitutionnelle aussi se prononce. Gare Amadou. Comment appréciez-vous les sollicitations de l'opposition politique Oui, <laughs> la seule particularité de la déclaration de l'opposition, c'est quand elle appelle l'armée à superviser les élections. Incroyable. Voilà des opposants <laughs> Non, non c'est-à-dire que c'est ahurissant qu'on en arrive à des réflexions comme ça pour des démocrates. Est-ce que vous comprenez Qu'est-ce qu'il faut faire alors Donc, euh, si je comprends bien, il s'agit de remplacer Issa Kassouna par un général de l'armée au niveau du bureau de vote, de maîtres des militaires euh, en tant que président du bureau de vote. Oui, je ne comprends pas. Parce que, à ce que je sache, l'armée déjà assure la sécurité des élections. Bon, quelle est, cette nouvelle trouvaille de l'opposition, ça veut dire quoi C'est-à-dire que c'est l'armée qui va organiser les élections et c'est des démocrates qui sortent ça, sans honte, qui, qui, qui balancent ça à l'opinion publique, l'opinion nationale et internationale. Vous, vous n'avez même pas honte de dire ça, de dire ça dans une déclaration que l'armée supervise des élections. Vous avez entendu ça une fois de quelle opposition politique africaine ou, de, la planète Vous avez entendu ça une fois Comment Comment peut-on en arriver à des réflexions aussi aberrantes que celle-là Ou une opposition politique supposée être démocratique demande à l'armée de superviser une élection. Comment pouvez-vous comprendre cela Pour moi, je considère que cette déclaration, c'est une déclaration de défaite. Parce que si on analyse, même l'a bien dit, mais <laughs> vous demandez à ce que les élections soient annulées dans certaines certaines zones, alors que vous avez déposé des recours. Les arrêts ne sont même pas sortis. Mais ça veut dire quoi Ça va dans tous les sens. Et pendant que vous demandez à l'armée de superviser les élections, vous envoyez vos délégués, ce qui, au demeurant, est une bonne chose. Vous reprenez votre place au niveau de la CENI. Enfin, mhm. vous occupez, parce que vous n'avez jamais occupé, mhm. vous occupez vos, les, les, les, postes qui vous reviennent, les cinq postes qui reviennent à l'opposition, vous les occupez au niveau de la CENI. Et en même temps, vous demandez à l'armée de superviser une élection. Non, franchement, euh, il y a deux problèmes au niveau de l'opposition. Mhm. Il y a une totale absence de stratégie. Il y a une navigation à vue et il y a pratiquement, il a pas de bons conseillers en communication au niveau de l'opposition. J'ai comme l'impression que les leaders se retrouvent dans une salle. où chacun étale ses états d'âme et puis on fait une déclaration. Au lieu de demander l'avis de quelqu'un, ils ont pourtant ils ont des compétences. Il y a des compétences au niveau de l'opposition. Vous pouvez demander conseil aux gens. Quelqu'un va vous dire ah non, cette partie là où vous parlez de l'armée, moi je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de mettre ça parce que ça peut être très mal interprété. Et voilà effectivement, nous sommes en train d'interpréter les démocrates de l'opposition comme étant des gens qui sont nostalgiques des régimes militaires et qui pensent que seuls les militaires peuvent faire des bonnes choses. Parce qu'on a vu tous les trucs qu'ils ont dit, oui, oui, parce que le militaire est ceci, cela, parce que le militaire est ceci. Oui, d'accord. Alors donc, ça veut dire que vous, vous n'êtes pas bon Ça veut dire que les civils ne sont pas bons Quand même, ce sont des civils aussi. Non. J'ai dit, il faut que l'opposition se ressaisisse. L'élection, ça se prépare. Ils n'ont pas préparé les élections. Vous comprenez Ils sont restés à Niamey dans les salons, je le répète, dans les salons de Niamey, en train de multiplier les déclarations, on n'en compte plus. Au cours de 2020, si on fait un, récapitulatif des déclarations, on n'en compte plus. Ils ont fait des livres blancs, tome 1, ils ont fait tome 2, etc. etc. C'est tout ce qu'ils ont su faire. Mais quand est allé à l'intérieur du pays, n'est-ce pas à, à partir à la rencontre des militants, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Et maintenant, je pense que c'est une leçon. Ils doivent se préparer à affronter ce deuxième tour-là. Mhm. Mais cette allusion à l'armée Fajia Fatima, j'en ai honte. J'ai honte, j'ai honte d'avoir pu entendre ça de la part du leader politique, une allusion à l'armée pour superviser l'élection. C'est incroyable. Merci. C'est pour, hein. empêcher, de, voir les zones de oh, sécurité oh aussi. et les zones de sécurité oh, aussi. Mais s'il te plaît, quand même. L'armée, des démocrates qui demandent à l'armée de superviser l'élection. Tu as vu ça où une fois je pense que, <laughs> je, pense que l'opposition elle souffre, je crois, de certaines positions qu'elle a eu à prendre de par le passé, qui sont quand même des positions contraignantes. Là, j'ai fait allusion, par exemple, euh, quand ils demandent l'annulation des élections, euh, ils ont considéré que pour eux, le juge électoral n'en est pas un. Euh, ils dénoncent le juge électoral, cest à la Cour constitutionnelle, ils dénoncent la CENI. Ils ne croient pas à ces institutions-là. Ils considèrent que ces institutions qui sont infiltrées par le pouvoir. Et donc aujourd'hui, il se trouve que ce juge-là est bien là, le juge constitutionnel, et c'est à lui qu'il faut faire recours. Je pense qu'ils ont déjà fait recours. Maintenant, quand ils disent, ils demandent l'annulation euh, des, euh, des, votes dans certaines zones, alors est-ce que la demande s'adresse à la Cour Puisque la Cour, on ne lui parle pas comme ça, on lui soumet des <laughs> dossiers. Est-ce que ça s'adresse peut-être à l'opinion pour dire nous ne sommes pas d'accord. Bon, dans tous les cas, ils ont leur cible, ça, ça s'adresse à quelqu'un euh, pour dire que, bon, parce que ça s'annule. Maintenant, du point de vue de ces élections qu'ils veulent euh, annuler, mais aussi un peu ce qu'ils disent sur l'armée qu'ils doivent superviser, à mon avis, ils ont touché un vrai problème. Mhm. Mais peut-être dans la solution qu'ils proposent, une partie au moins de l'opinion ne les suit pas. Le vrai problème, c'est qu'il y a effectivement des zones de ce pays où les élections, organiser des élections pose un vrai défi. Lorsque des hommes en armes peuvent venir dans les urnes, la première question qu'on se pose avant d'aider à l'armée de superviser, c'est que déjà les FDS sont censés sécuriser les bureaux. Mais est-ce que ces gens en armes viennent dans les bureaux en présence des FDS. Si les FDS ne sont pas là, ça veut dire qu'il y a peut-être une faiblesse de la présence des FDS dans ces zones en ce moment Peut-être qu'il suffirait de renforcer la présence des FDS pour que les élections se passent dans de meilleures conditions. Mais le problème qu'ils touchent, c'est un vrai problème. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des zones euh, de notre pays dans lesquelles l'État lui-même n'est pas suffisamment présent dans lesquelles les armes circulent. Et donc, les gens utilisent justement ces données de terrain euh, et ils les convertissent en, en résultats dans des urnes. Et donc, ça, ça existe, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Maintenant, est-ce que la solution, c'est de dire, bon, quand on dit euh, amener l'armée pour superviser, je me pose Qu'est-ce que ça veut dire au fond Est-ce que c'est eux qui s'installent à la place des agents de la CENI Est-ce qu'ils sont là peut-être euh, pour sécuriser. Si c'est pour sécuriser, normalement, c'est déjà la mission qui a été donnée au FDS. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment le renforcer. Mais, encore une fois, pour moi, l'opposition, euh, elle est dans une position assez contraignante mm-hmm. parce que le type de positionnement qu'elle a choisi, y compris boycotter la CENI, avant, la, la rappel, avant de revenir vers la CENI, c'est quand même, ils ont placé haut la barre et à l'épreuve, ils se rendent compte que il devait peut-être amender certaines de leurs positions. Maintenant, la porte de sortie, la porte de sortie n'est pas tout de suite désignée et ça devient un peu contraignant. Donc, il y a cette déclaration à travers laquelle il revient sur certaines choses que des observateurs, je crois, ont eu à dire déjà hein. Hein, euh, sur hum. le fait que les élections ne sont pas bien passées partout. Hum, hum, et il y a les attaques euh, sur le fait que le régime a organisé justement la fraude, etc., qu'ils disent. Ils parlent par exemple d'achat de conscience. Voilà une chose sur laquelle je pense que pour moi, toute la classe politique est coupable. Le jeu de l'argent dans les élections. Jamais je n'ai entendu un mhm. parti le dénoncer sérieusement. Mhm. Chacun s'est dit, je me mets dans le jeu. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a qui ont plus d'argent que moi. Ils ont plus de voix parce qu'ils ont plus d'argent. Et donc la solution, il faut que je cherche plus d'argent. Mais personne ne dénonce le jeu de l'argent dans les élections. Regardez le candidat du parti au pouvoir. Apparemment, c'est le plus riche. Regardez comment il a occupé le terrain électoral. Personne ne le dénonce où les gens le dénoncent simplement parce qu'ils se disent, bon, on n'a pas encore ces moyens. S'ils ont les moyens, ils sont capables de faire la même chose. Et donc, de ce point de vue, la classe, toute la classe politique se retrouve sur le jeu de l'argent et c'est pour ça qu'on a du mal à mettre une législation forte sur le financement des partis politiques la souveraineté d'un pays, ça dépend aussi de comment les gens arrivent au pouvoir, comment on promeut les dirigeants de ce pays. Si vous prenez de l'argent à, gauche et à droite, euh, dans les voisinages, etc., vous achetez les conseils, vous arrivez, vous ne faut pas être soucieux de la souveraineté d'un pays. Et là, l'opinion, à mon avis, on doit vraiment travailler. Vous avez des pays dans lesquels les financements des partis politiques est assez contrôlé dites aujourd'hui combien d'argent Bazoum a mis, combien d'argent Seyni Omar a mis. Est-ce que nous sommes capables de le dire Est-ce qu'il y a un législateur qui est capable de dire aujourd'hui, après une bonne, un bon contrôle de leur comptabilité, pour dire voilà, ce n'est pas possible mm. Et donc, cet aspect-là, ce n'est pas un détail dans les élections, à mon avis. Il ne faut pas qu'on ait l'impression ou qu'on soit qu'on renforce l'idée selon laquelle c'est seulement le plus riche qui gagne les élections. Et ça, ce n'est pas bon pour ce pays. Mm. Mais on est dans ce cas. Aujourd'hui, l'opposition dénonce, J'aimerais être sûr que si ont les moyens du parti au pouvoir qu'ils ne feraient pas la même chose. En tout cas, les <laughs> citoyens doivent les dénoncer. J'aimerais ajouter, oui, par rapport au, dernier point sur lequel, euh, quand euh, euh, Bokar dit, oui, mm. on aimerait voir l'opposition à l'œuvre mm. quand ils auraient les moyens. Mm. Mais heureusement, le Niger, c'est une histoire, l'histoire politique du Niger. Pratiquement tous ces gens-là, beaucoup ont occupé des fonctions à des moments donnés. Mm-hmm. Donc vraiment, <laughs> venir donner des leçons en matière d'achat de conscience, comme vous l'avez dit, vraiment tout le monde est coupable. C'est pas la peine de jeter la pierre sur l'autre. Vraiment, vous savez très bien ce que vous avez fait quand vous étiez. c'est même, hors élection. Voilà. Il faut le combattre même hors élection. et, ça se traduit par exemple par un texte de loi qui soit très rigoureux dans le contrôle des financements. En réalité, en réalité, même au niveau des partis politiques là, est-ce qu'il y a une vraie comptabilité? qui peut permettre de tracer. C'est-à-dire qu'à la fin des élections, Regardez les rapports de la Cour oui, oui, mais même, il y a des partis politiques à qui on exige même et de faire des congrès à des périodes régulières. Ils n'en font pas. ils sont là. Et pourtant, ce sont les leaders de ces partis politiques-là qui font le plus de bruit. Comme on a dit, les tonneaux vides sont, beaucoup, sont, souvent ceux qui font beaucoup de bruit. Oui. Et, ces partis-là, ils ne participent parfois à aucune élection. Mais leurs leaders sont les plus bavards. On les entend partout sur les zones. Donc, vous voyez, il y a du travail à faire pour essayer d'obliger les partis politiques à tenir des assises régulières, obliger les partis politiques à participer à des élections. Si vous ne participez pas à une élection, immédiatement, voilà les sanctions qui sont prévues. Soit on vous dissout, ou bien on, trouve, une sanction, ou bien au bout de deux élections, vous ne participez pas. C'est-à-dire que si, par exemple, on a fait les locales, les législatives, la présidentielle, mhm. vous devez participer au moins à une élection. Si vous ne participez pas, votre parti sera dissous. Ce sont des textes comme ça que le ministère de l'Intérieur devrait avoir. Dissous, peut-être que c'est déjà une position forte. Hein? Bon, pas je, en tout Suis peut-être dur. je suis peut-être dur à ça. Bon, moi, je me dis, il y a des sanctions qu'il faut prévoir. C'est-à-dire, il faut, il faut les inciter à la qualité il faut les inciter à travailler. C'est-à-dire, on ne crée pas juste un parti politique et puis on va s'asseoir. Et puis, dès que la, campagne électorale va s'ouvrir, oui, oui, euh, j'apporte mon soutien à l'autre. Comme ça, dès qu'on euh, va, je vais avoir trois postes de conseiller, trois postes de chargé de mission. Non. C'est-à-dire, <laughs> un euh, C'est ce que j'ai dit. Moi, je le texte au moins. Mm, je, considère que faire des élections propres, ça doit être le souci de tout le monde. Mm-hmm de ce point de vue, une bonne partie des critiques qu'ils font, on peut le réverser dans la critique globale qu'on a tous eu à faire, hein, je crois, dans ce studio. Il y a des choses qu'on a eu à critiquer. C'est bien de critiquer, mais je veux dire, au-delà des élections, je pense que la vie politique dans notre pays a vraiment besoin d'un coup de balle. Je vous donne l'exemple des partis qui, à l'épreuve des élections locales, législatives et présidentielles, n'ont aucun élu. Ces partis mhm. existent. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils font entre deux élections ils n'animent pas un espace public mhm. pour parler aux citoyens. Ils sont parfois rarement dans le débat public. ils, ne dictent pas leurs militants. Ils attendent la veille d'une élection pour dire qu'ils soutiennent quelqu'un. tout Bon, la, question des sièges tout ça. Mais en tout cas, pour moi, euh, un parti, lorsque vous le créez, bah, vous avez au moins des choses à partager avec le reste de l'opinion. Mhm. Vous avez des idées, vous avez un projet de société. Mhm. Mais si après une élection, vous ne faites rien, vous attendez seulement la veille. Une élection, c'est juste un aspect de la vie politique. Tout, on ne peut pas réduire toute la vie politique à une élection. Mais un parti doit avoir une existence entre deux élections. Mm-hmm. Mais entre deux élections, moi je comprendrais bien qu'un parti crée un journal. Mm-hmm et à travers un journal, il fasse connaître ses idées, qu'il puisse prendre position sur la vie publique, sur les questions d'éducation, de santé. Il n'y a pas que donne-moi tel poste, donne-moi telle, enveloppe. Il y a l'éducation, il y a la santé. Qu'est-ce que vous dites sur l'éducation Je pense qu'il y, a vraiment, il y a vraiment, encore une fois, des choses à dire sur la classe politique. Euh, l'opposition a fait sa déclaration. Je pense que tout le monde est au moins d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait des élections propres. Là, au moins, tout le monde est d'accord. Mais à mon avis, ils doivent davantage travailler pour convaincre l'opinion. Je pense qu'il y a suffisamment de comptes non soldés entre les acteurs politiques et nous, au, point où, quand il faut une déclaration, on se pose beaucoup de questions. Merci, je, voulais, dire, un mot concernant les partis politiques. Ce que je voulais dire, c'est que eh, ce que Hassan Bokar avait évoqué, les partis politiques qui participent à des élections qui n'ont pas de conseiller. Mais au moins, ils ont participé. Mais sur les 150 formations politiques qu'on a sur l'échiquier national, là, jamais, jamais, jamais participé. Ces élections-là, ils n'ont pas participé. Et pourtant, si vous fouillez au niveau des soutiens, au niveau des candidats de l'opposition, de la majorité, vous allez les trouver. Bon, voilà. Celui qui participe, qui n'a pas de conseiller, il a au moins le mérite d'avoir participé. Mais et les autres qui n'ont qui ne font rien on va les laisser comme ça On va arriver l'année prochaine à 200 partis politiques Non, il faut que ça s'arrête ça sera plus d'une cinquantaine Nous sommes donc euh, au terme euh, du forum de la presse euh, de ce vendredi 15 janvier 2021. Nous étions en compagnie de Memouna journaliste freelance, Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation et Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. La présentation, Fatih Zakari. La technique euh, Seini Isaka et la réalisation Mustapha Ayouba. Merci à vous de nous avoir euh, suivis. Euh, n'oubliez pas le programme des jeunes ce samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues, suivi donc de tous à la FADA. Et à partir de 18h15, le forum en langue Hausa sur la prévention du COVID-19 dans les transports communs. Et le dimanche, à la même heure, le forum en germain sur l'impact économique des inondations à Niamey.